Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Vendredi 5 avril a eu lieu à la Cour d'État l'audience pour la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed. Après examen, l'affaire est mise en délibéré pour le 10 mai 2024. À suivre dans le Forum de la presse, la rencontre entre le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Algérie à Niamey mercredi 3 avril. Le caractère violent des opérations de refoulement des milliers de migrants ouest-africains par l'Algérie vers le Niger était au centre de la rencontre. L'actualité, c'est aussi cette euh, rencontre entre le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et la chargée d'affaires par intérim de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Madame Nicoletta Giordano. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur le studio Kalangou commence dans un instant. Avant de rentrer dans le vif euh, de ce forum de la presse, je commence d'abord par dire Inna lillahi Notre euh, confrère euh, Soumana Amadou, journaliste et responsable du desk Fulfulde du studio Kalangou, nous a quitté dimanche 7 avril passé. Soumana Amadou fait partie des pionniers du studio Kalangou et y travaille dès son installation au Niger jusqu'au dimanche 7 avril 2024 quand la mort l'a arraché à notre affection. Il a été enterré lundi 8 avril là, à Niamey, paix à son âme. Un mot autour de table. Allez-y, euh, Arimi. oui, c'est un cousin parce que c'est un peu après cousin à plaisanterie. Je l'ai connu un peu avant Kalangou, mais on a plus sympathisé ici parce que on est régulé ici et à chaque fois on le trouve assis au même poste juste à l'entrée de la rédaction, en train de travailler comme toujours, chaque jour présent et en train de travailler. Elle me salue en Kanouri et moi je le salue en, en peul. C'est quelqu'un de très attachant. Mais bon, ainsi va la vie. Vraiment, nous lui souhaitons un très bon repos de son âme et vraiment beaucoup de patience euh, aux collègues ici, aux parents, amis et connaissances vraiment que le bon Dieu accueille son âme dans son paradis euh, éternel. Sinon, c'est, bon, comme on dit, les meilleurs, le bon Dieu les rappelle à lui très tôt. Il fait certainement partie des meilleurs et vraiment que nous qui sommes ici, le bon Dieu nous prête euh, longue vie mais qu'on le trouve vraiment dans aussi de bonnes conditions. Je n'avais pas appris sa maladie, je savais qu'il traînait cette maladie-là, euh, mais je ne savais pas qu'il avait été il hospitalisé. Est diabétique. Voilà, il est diabétique tout à fait, c'est une maladie chronique euh, malheureusement qui finit toujours par prendre le dessus, c'est ce qui lui est arrivé. Donc vraiment, toutes mes condoléances à toute l'équipe. Ainsi va la vie euh, pour quelqu'un qui aime travailler comme ça c'est vraiment de prendre euh, son exemple et vraiment pérenniser sa façon de faire. Quoi. Merci beaucoup, Arimi. j'ai appris la mort euh, de M. Soumana Amadou sur euh, la plateforme des responsables des médias partenaires du studio Kalangou, un poste que M. Zadabawa a, partagé. Je ne connais pas personnellement très bien le défunt, et hein, subitement, j'ai présenté mes condoléances au studio Kalangu, bien sûr, à sa famille et à l'ensemble des collègues, n'est-ce pas, du studio Kalangu et de la corporation. Je prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'accueille dans son paradis éternel et nous autres qu'il nous accorde une bonne fin sur la voie de l'islam. Paix à son âme. Amen. Comme les autres confrères, euh, Soumana Amadou, moi je l'ai un peu connu quand il était au niveau donc de l'ORTN. À part son sourire euh, et son bonjour qu'on partageait, je l'ai pas trop, en tout cas, côtoyé, mais je sais que c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème et c'est quelqu'un qui est souriant, en tout cas. Et il aime trop son travail parce que à chaque fois quand nous, nous venons ici au niveau donc de Kalangou pour le débat, on l'apercevait déjà euh, en train de travailler, à part un bonjour qu'il vous donne ou un bonsoir qu'il vous donne, il est toujours plongé dans, euh, sur, sa machine. en train de parfaire euh, justement le travail qu'on lui a confié. Je voudrais juste que euh, ceux qui restent doivent prendre l'exemple sur lui, faire le travail bien, puisque lui, il est le chef desk full full day. Il faut pas que on sente en tout cas son absence au niveau donc de ce desk. Il faut pas que Kalangu et les auditeurs sentent son absence, que son âme repose en paix. mes condoléances à toute euh, à sa famille biologique, condoléances également à toute euh, l'équipe euh, de Kalangu, le personnel de Kalangu et au-delà les journalistes que nous sommes parce que nous venons de, de, perdre un confrère, un confrère pas des moindres, parce que c'est un confrère aujourd'hui qui, avec les langues, euh, c'est très difficile hein, pour quelqu'un d'avoir euh, son charisme comme il est, parce que son expérience, aussi. parce que c'est surtout son expérience. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pas qu'on ressente son absence ici au niveau de Kalangou et au niveau donc des auditeurs qui l'apprécient. Que son âme repose en paix au niveau donc euh, du paradis Firdos la subhanahu wa et qu'elle lui accorde miséricorde comme tous nos défunts d'ailleurs. Merci beaucoup à vous trois. La suite euh, de ce forum de la presse, la Cour d'État va-t-elle décider de lever l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet et détenu au palais présidentiel depuis, afin qu'il puisse être jugé vendredi 5 avril a eu lieu à la Cour d'État l'audience pour la levée de l'immunité de l'ancien président. Après examen, l'affaire est mise en délibéré pour le 10 mai 2024. La réponse est attendue dans un mois. La défense euh, du chef euh, de l'État renversé affirme ne pas avoir eu accès au dossier et demander un renvoi. Que peut-on retenir au sujet euh, de cette affaire, Memouna ce qu'on peut retenir, c'est d'abord la demande qui a été faite pour euh, la levée de l'immunité euh, de l'ancien président, puisque c'était lui qui était en exercice peu avant le coup d'État. Donc, euh, si aujourd'hui ceux qui dirigent le pays ont jugé qu'il faut lever son immunité pour pouvoir le mettre à la disposition de la justice, pour qu'il réponde des faits ou quelque chose qu'on qu'on lui reproche, donc je vois que c'est une très bonne chose, puisque s'il n'a rien à voir il pourra se laver mmh. et la justice, la va hein. le blanchir et la vie continue. Et si se reproche, si les gens, comme ils disent, reprochent quelque chose à lui aussi, c'est à la justice de déterminer. Maintenant, ces avocats ont demandé que l'audience soit renvoyée jusqu'au 10 mai. Nous allons attendre pour voir ce que ça va donner. De toutes les manières, nous savons que c'est la justice qui a le dernier mot et c'est avec la justice ce que la justice va décider que nous autres Nigériens, on sera euh, obligés de se soumettre à ça. Merci beaucoup, M. Diado. une vingtaine de magistrats étaient présents, ainsi que le procureur général lors de l'audience. Parmi les chefs d'inculpation exposés, le complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté et à l'autorité de l'État, la haute trahison en lien avec les événements d'octobre au sujet de la tentative d'évasion de Mohamed Abazoum, accusation alors rejetée en bloc par ses avocats. Quelle est votre opinion au sujet de cette affaire, Arimi Mais ben, Écoutez, ça fait déjà euh, huit mois que le président euh, Bazoum est détenu euh, dans le camp en fait, à la présidence, n'est-ce pas, à son domicile. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est à son, domicile. Et il faut bien que euh, le CNSP, n'est-ce pas, qui a perpétré le coup du 26, n'est-ce pas, trouve quoi faire avec euh, euh, ce prisonnier quand même encombrant. Vous vous rappelez, dans ce pays, l'immunité du président Tangier, y compris, a été sur le plateau. Et donc, c'est la même chose. Je pense que c'est la porte de sortie n'est-ce pas, pour en finir avec... Euh, Donc, selon vous, c'est dans l'ordre normal des euh, choses Moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses, parce que un coup d'État, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pendant que c'était chaud, euh, à tort ou à raison, plusieurs raisons, plusieurs arguments ont été avancés. Maintenant, il faut aller dans le concret. Et ça passe euh, nécessairement, à mon avis, par la levée euh, de l'immunité, n'est-ce pas Si, comme Maimouna l'a dit, euh, les faits qui lui sont reprochés, par exemple, c'est cette affaire d'octobre, n'est-ce pas, l'évasion qui aurait été organisée. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus. beaucoup ne sont pas d'accord, mais d'autres trouvent que c'est naturellement vrai. Et si c'est vrai, c'est quelque chose d'extrêmement grave, mais un procès comme celui-ci, quand il a, assis la lieu, ça permet d'élucider les choses parce que c'est en cela que la démocratie, c'est quelque chose euh, d'important, la justice, c'est quelque chose d'important. Même si euh, on voudra cacher peut-être euh, la vérité, la vérité finira par jaillir parce que il y a sa défense, n'est-ce pas, qui va quand même pouvoir s'exprimer non seulement à l'auditoire, à la justice, mais aussi à la presse et ça permettra aux citoyens de comprendre, mais aussi ça permet de savoir que nul n'est au-dessus euh, de, la, loi. N'est-ce pas celui en qui tous les Nigériens ont eu confiance, n'est-ce pas, un temps soit peu, quand il est responsable de quelque chose, qu'il sache que ça peut lui arriver d'être devant euh, les juridictions. Donc c'est de cela qu'il s'agit, mais il ne faut pas aller euh, très vite en besogne. Il s'agit vraiment de questions hautement importantes, n'est-ce pas, qui touchent à la vie de la nation mais moi, je trouve que, bon, lever l'immunité, dans tous les cas, il n'a plus rien à perdre. Il n'est plus président de la République. Les gens ne vont pas le ramener pour le mettre à sa place. Et donc, le juger, ça le blanchirait quelque part, à mon avis, vraiment, à mon sens c'est même ça la porte de sortie, c'est-à-dire à partir de laquelle il pourrait euh, se rendre chez lui directement ou purger une peine si toutefois il est condamné et purger sa peine et rentrer chez lui. Dans tous les cas, ça fait partie de la vie de l'homme. C'est comme ça quand on arrive à jouer certains rôles dans, un, dans la vie d'une nation. Merci beaucoup, Abba Yarimi. Abdoulaye Soumana, trois semaines après le coup d'État, le CNSP disait détenir des preuves et afficher son intention de poursuivre Mohamed Bazoum. Selon vous, quelle sera l'issue de cette affaire après euh, le 10 mai Bien, Lucie appartient à la Cour d'État. Seulement, ce qu'il faut retenir, comme vous venez de le dire, trois semaines après le coup d'État, le Saint-Esprit a pris l'engagement de traduire euh, le président déchu, Mohamed euh, Bazoum, de le livrer à la justice pour éclaircir, n'est-ce pas, ce qu'il lui reprochait, notamment l'apologie et le financement du terrorisme, la haute euh, trahison, euh, l'atteinte à la sécurité de l'État. Et chemin faisant, n'est-ce pas, il y a eu les événements d'octobre où il y a eu une tentative, n'est-ce pas, d'évasion, d'exfiltration, n'est-ce pas, donc du président de Chui Mohamed Bazoum. Maintenant, aujourd'hui, les Nigériens, comme toujours d'ailleurs, ont toujours soif de justice et le CNSP est en train, n'est-ce pas, donc, euh, de s'inscrire dans cette euh, dynamique pour que les Nigériens sachent exactement que, même si par ailleurs nous sommes dans un régime d'exception, la justice est quand même là, les lois sont là et les lois vont être, vont s'appliquer à tout le monde. Maintenant, l'issue est attendue pour euh, le, dimanche 10 prochain pratiquement moins d'un mois, donc 28 jours euh, approximativement. Donc, je crois que les Nigériens vont se fier au verdict, n'est-ce pas, qu'elle rendra. Merci beaucoup Abdoulaye Soumana. Euh, question unique à vous trois. Euh, selon vous, qu'attendent les Nigériens au sujet de la levée de l'immunité de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Je commence par vous, Arimi, rapidement, une minute. Qu'attendent les, Nigériens Nigériens S'attendent à ce qui est justice, n'est-ce pas que rien que justice. Euh, que rien que justice, c'est-à-dire parce que le CNSP, bon, veut l'amener devant les juridictions parce qu'il lui reproche un certain nombre de choses, donc euh, dont euh, vient de, rappeler. Si ces choses-là s'avèrent euh, vraies, fondées, euh, ça veut dire qu'il sera jugé. Sinon, les Nigériens auront vu clair que leur ancien président n'était pas dans, tout ça. Mais dans tous les cas, il faut savoir que le coup d'État du 26 a été accueilli favorablement par la majorité des Nigériens pour moult raisons, non pas pour les deux ans de Bazoum seulement, mais pour les douze ans du PNDS Tareya. C'est aussi ça euh, qu'il faut se le dire. Mais c'est aussi une occasion, certainement, euh, peut-être, en fait, de, de, de créer l'abcès. Merci beaucoup, Abakar Arimi. Rapidement, Ablaï Soumana. Les attentes des Nigériens, pour moi, elles se limitent à une seule. Hein. Aujourd'hui, dans cette, dans cette affaire de, justice, les Nigériens ont soif de justice. Ils, veulent, ils veulent la vérité des faits. C'est tout. Comme quoi, le verdict de la Cour euh, d'État attendu pour euh, le, le, 10 mai prochain, ne pourrait être accueilli et s'imposer à tous. Merci beaucoup, Ablaï. Rapidement, même Gado. Oui, c'est <laughs> la même chose que les autres confrères. C'est la justice. Les Nigériens ont soif de justice et les Nigériens ont, soif de savoir la vérité. Est-ce que ce qu'on reproche euh, à l'ancien président, est-ce que c'est, est-ce que c'est, c'est fondé? C'est fondé. Si c'est pas fondé, c'est la justice qui va faire le travail. Donc, je pense que là, il y a ceux qui attendent que justice soit faite. Il y a également ceux hmm. qui aujourd'hui veulent voir clair est-ce que ce n'est pas la porte de sortie pour le président, l'ancien président aussi Parce que s'il n'est pas accusé à, euh, rien, là, je pense qu'il c'est, va vers sa, liberté. Hein. Merci beaucoup à vous trois pour euh, vos premières analyses euh, sur notre premier sujet, la levée de l'immunité de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. Les autorités nigériennes, via le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, ont convoqué mercredi 3 avril Bekeda Mehdi, ambassadeur de la République populaire d'Algérie. Selon l'agence nigérienne de presse, je cite, au terme de cette audition, le secrétaire général adjoint du ministère, a formellement exprimé à l'ambassadeur algérien les protestations du gouvernement et des plus hautes autorités nigériennes contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener des opérations de refoulement des Nigériens en Algérie. Fin de citation. Selon les autorités de Niamey, Alger a intensifié depuis quelques jours ses opérations de rapatriement des subsahariens sahariens en situation irrégulière. C'est face à la gravité de cette situation que le ministère des Affaires étrangères nigérien a décidé de convoquer le 3 avril l'ambassadeur d'Algérie, Bekeda Mehdi. Peut-on parler de bruit diplomatique entre Niamey et Alger vous savez, tout a une histoire. Cette histoire a été euh, compliquée euh, par le régime sortant, euh, particulièrement sous la présidence. Vous êtes acteur de la migration Tout à fait. Vous vous rappelez, avec le ministre à l'époque de la Justice, Mourou Amadou, et le président de la République, à son discours du 18 décembre, si je ne m'abuse, 2015, n'est-ce pas, ou 16, l'a euh, a carrément demandé aux les autorités nigériennes ont demandé aux autorités algériennes de refouler vraiment tant que possible les ressortissants nigériens parce qu'ils auraient honte qu'ils mendient. Ah. N'est-ce pas Donc cette affaire, en Algérie. oui, vous vous rappelez, cette affaire a été tellement mal gérée après l'Algérie, les gens sont allés jusqu'au Sénégal pour faire rapatrier des Nigériens qui seraient en train de mendier partout dans la sous-région. Or, la racine du mal n'a jamais été attaquée parce que des Nigériens sont économiquement dépouillés, qui n'ont plus rien à faire valoir qu'ils étaient obligés de tendre la main. On n'a pas essayé de régler ça, mais on a seulement envoyé, y compris des avions pour faire rentrer des Nigériens. Et de l'autre côté, des Nigériens ont demandé, moi j'avais le son d'ailleurs à l'époque, d'ailleurs dans un de mes films, j'ai le discours du, président, Issou, et puis même euh, le euh, une conférence, une, interview donnée par le ministre Mourou et qui demandait aux autorités de, machin, disait qu'ils avaient honte. Mais tu ne peux pas avoir honte tant que tu n'as pas créé des conditions. pour que les gens ne soient pas nécessités. Et donc, depuis lors, n'est-ce pas, puis ils ont pris la loi sous le ministère du président Bazoum. Non, non, selon vous, les ministre de l'Intérieur. Ils ont pris la loi 36, 2015-36, euh, euh, n'est-ce pas Et euh, qui a fait que déjà à partir d'Agadez, tous les ressortissants sub comment subsahariens. étaient bloqués à Agadez, n'est-ce pas Ce qui fait que les Algériens sont habitués sont habitués à telle enseigne que, y compris les ressortissants des autres pays, sont reversés dans notre pays. Et les organisations internationales qui s'occupent de l'accueil mhm. n'est-ce pas, de ces refoulés-là au niveau de Asamaka et de d'Agadez, n'est-ce pas, se sont adaptés à telle enseigne que les Nigériens vont à part, parce que les Nigériens généralement sont à partir d'Agadez reversés dans leur région de départ, et on crée les conditions pour que l'OIM s'occupe des ressortissants étrangers qui sont acheminés eux aussi au fur et à mesure par bus généralement dans leur pays. Donc aujourd'hui que ce problème se pose, ce n'est pas étonnant. Donc selon vous, Abacharimi, les autorités algériennes ne font que répondre à la demande des autorités nigériennes de l'époque. Donc les autorités actuelles ont très bien réagi en interpellant les, les, les autorités, leurs euh, homologues euh, algériennes, pour dire, algériens, pour dire que vraiment, euh, ce n'est plus comme ça. Cette loi, nous, nous l'avons abrogée. Notre gestion de la migration n'est plus la même. Ne nous envoyez pas particulièrement les ressortissants des autres pays. Et même au nom de notre bon voisinage, même nos ressortissants doivent être traités avec vraiment beaucoup d'égards. Donc moi je pense que c'est tout à fait euh, normal. Le migrant c'est un être humain comme tout le monde qui est en déplacement et qui doit être soutenu au lieu d'être vraiment spolié, euh, euh, violenté, et, vraiment être victime de toutes les, même du racisme et de tout. Je crois que oui, c'est bien de lever la main et dire que oui, ils m'en dit parfois, ils font si, mais c'est mes ressortissants, c'est mes compatriotes. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est comme ça qu'il faut faire vraiment pour protéger tes ressortissants, même en dehors des frontières. Moi, je pense que c'est bien. Merci beaucoup, Arimi Soumana. Ah, depuis 2014, ah, des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière, originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale, dont des femmes et des mineurs, ont été refoulés d'Algérie, pays considéré comme un Dorado et un point de transit vers euh, l'Europe. Aboukari Arimi vient de le rappeler. quelle est votre opinion à ce sujet Mon opinion, c'est que d'abord, euh, le gouvernement nigérien a eu récemment hein, abrogé la loi sur la migration. Deuxième chose, c'est que les Nigériens en partance pour euh, l'Algérie, c'est généralement pour, pour des raisons économiques. Et troisième chose, Arimi l'a dit, c'est la mendicité. Alors, dans le dernier rapport de l'OIM de, janvier 2024, il y avait eu 1719, je crois, selon le rapport, migrants, subsahariens refoulés, n'est-ce pas, de l'Algérie à Asmaka. Donc, et hier, le reportage de notre confrère de la télévision nationale qui allait sur le terrain a fait qu'à pour les, les derniers jours, là, ces, ces jours-ci, n'est-ce pas, qui a fait monter la, la, tension diplomatique entre le Niger et, l'Algérie, a fait cas de 1500, 1500 et quelques, n'est-ce pas, migrants, essentiellement des Nigériens et de quelques, et une petite portion de Camerounais. Si en janvier, c'était pratiquement des ressortissants de l'Afrique subsaharienne, notamment eh, les Béninois, les Maliens, les Tchadiens, les Nigériens, les Ivoiriens, tout ça là. Mais cette fois-ci, l'accent a été essentiellement mis sur les, Nigériens. Alors, euh, question, pourquoi subitement, n'est-ce pas, euh, ce regain de refoulement, n'est-ce pas, donc des Nigériens en grand nombre et dans un délai relativement très court voilà la, la, question. Il faut, il faut s'interroger. Deuxième chose, préoccupation que ça a soulevé, c'est que Arémi vient de le dire, les autorités policières algériennes ont fait usage d'une certaine brutalité, moi je dis d'une certaine brutalité, sur nos compatriotes. Ils ont été spoliés de leurs de leur n'est-ce pas ils sont, On a vu des images à la, télévision, tout ça, spoliés de leurs biens, tombés malades, etc., blessés, etc., etc. Or, dans les relations bilatérales régissant. entre deux pays, pays frères, frontaliers. Justement, tout ça. Encore qu'il faut même euh, revenir un peu sur les premières heures, n'est-ce pas, donc de l'avènement du CNSP au, Niger. L'Algérie était quand même l'un des premiers pays à vouloir accompagner, vouloir nous accompagner pour pouvoir euh, assurer asseoir une transition, n'est-ce pas, euh, sereine. Donc, on ne comprend pas subitement pourquoi s'en prendre, n'est-ce pas, à nos compatriotes sur son sol. Voilà l'interrogation que moi je, pose. Merci beaucoup Ablaï Soumana. Maimouna Gado, plusieurs ONG dont Médecins sans frontières avaient auparavant dénoncé les traitements inhumains infligés à des migrants ouest-africains cherchant à gagner l'Europe et dont environ 2000 par mois en moyenne sont refoulés de l'Algérie et de la Libye vers le Niger voisin. Alger a souvent démenti ces accusations en dénonçant des campagnes malveillantes. Comment expliquer ces agissements entre pays africains quand je regarde euh, euh, ce qui se passe au niveau de l'Algérie, ça me fait mal. Euh, parce que l'Algérie même pense qu'il ne fait pas partie de ces pays, de ces pays africains en fait. Ah bon Oui, parce que c'est comme ça, parce que tu ne peux pas aujourd'hui prendre ton frère, lui faire l'agresser avec agressivité et tout, lui spolier tout ce qu'il a, tous ses biens et puis le refouler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand tu es africain aussi, il faut savoir que les autres, ce sont des Africains. Et les autres sont partis chercher. C'est pas pour aller dormir, c'est pas pour... pour aller voler. Pour aller voler. Mais ils, ils, ils partent, c'est pour tout simplement euh, avoir un changement dans leur vie, dans leur pour qu'ils puissent travailler, ils puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins, c'est tout. Sinon, qui peut se hasarder à aller à migration si c'est pas que tu veux aller chercher peut-être un petit bonheur que tu n'as pas chez toi. Mais c'est ça là, il faut également que euh, cette situation change au niveau donc euh, du Niger, parce que quand il n'y a pas d'emploi, quand il n'y a pas les conditions de vie et, et de stabilité c'est bien normal qu'aujourd'hui, euh, qu'on se retrouve dans cette situation, puisqu'il y a plus de Nigériens qui vont vers l'Algérie et que les autres euh, pays africains. Et maintenant, ce qui est encore à déplorer, c'est quand les pays, l'Algérie refoule ces migrants, ce ne sont pas seulement les Nigériens qui viennent ici, c'est d'autres nationalités qui accompagnent ces Nigériens et qui sont également euh, déversés, à, Samaka. Donc, non seulement Asamaka, c'est un petit village. Asamaka ne peut pas contenir non seulement nous-mêmes, nos, oui, nos ressortissants qui ont été euh, refoulés. Asamaka ne peut pas les contenir et, et contenir d'autres Africains également. Donc dans ce cas, moi je vois que ce que le gouvernement nigérien a dit, c'est un peu clair. Maintenant, il donne la proposition à l'OIM quand l'Algérie veut refouler. Ah, on va aborder la, question, la question <laughs> euh, tout de suite. Euh, D'accord. Mais maintenant, pour mettre fin à tout ça là, c'est vraiment de créer les conditions pour que au Niger, que les Nigériens qui y vont là, qui se sentent qu'ils sont dans leur pays et qu'ils ont également le droit d'avoir toutes ces ressources-là, de vivre quand même. Oui, mais est-ce que c'est à cause de la pauvreté que <laughs> euh, des Nigériens migrent vers l'Algérie La majorité, quand on demande, c'est la pauvreté. Il faut pas se cacher la face. Il n'y a pas un aspect euh, euh, sociologique. Euh, Je ne dis pas qu'il n'y a pas un aspect sociologique derrière, mais la plus grande masse, c'est parce que tout simplement ils ont besoin de changer de vie. Ils ont besoin aujourd'hui d'avoir des conditions de vie qu'ils ils espèrent améliorer. Donc c'est bien normal quand dans un pays il y a plus de jeunes, dans un pays où aujourd'hui on manque d'emplois, il faut, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui nous sommes dans un pays où la jeunesse est, fortement représentée. Et c'est quand tu regardes, il y a plus de jeunes aussi qui se hasardent à aller en migration. C'est parce que c'est pas par gaieté de cœur, parce qu'il y a d'autres aussi qui vendent même les biens de leur famille pour pouvoir aller. Donc c'est parce que tout simplement, ils ont besoin de changer d'air, ils ont besoin de d'avoir aussi ce que les autres ont que eux ils n'ont pas. Cette vie là, la, la belle vie, la belle vie là, <laughs> ne serait-ce que parce que quand tu restes, tu n'as pas. Quand tu manges à midi, le matin, quand tu prends ton petit déjeuner, tu ne sais pas si tu vas manger à midi. Tu ne sais pas aussi, le soir, quand tu manges à midi, est-ce que le soir, je vais trouver à quoi manger Donc, il faut créer les conditions pour que le Niger, hein, pour que les Nigériens se retrouvent dans leur pays, pour que les Nigériens sachent que je suis au Niger, j'ai aussi les mêmes droits que les autres, pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à trouver l'emploi Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas, aujourd'hui, quand je tombe malade, je ne peux pas avoir... Me soigner. Euh, me soigner on ne peut pas me soigner convenablement. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Ces questions que les gens se posent tous les jours, il faut que ça s'arrête pour qu'on puisse ne pas, en tout cas, se retrouver entre l'Algérie, Samaka et la frontière chez la Libye. Parce que c'est les deux pays-là qui créent des problèmes aujourd'hui pour la migration. Merci beaucoup, Memoune Diado Abachararimi. Rapidement, que faut-il comprendre au sujet de cette bruit diplomatique si elle existe Est-ce qu'il y a une bruit diplomatique entre l'Algérie et le Niger Dès lors que euh, les Algériens ont aussi convoqué, euh, l'ambassadeur, oui, ça veut dire qu'ils répondent. C'est la réponse du, du berger, du berger à la, euh, mais je crois que euh, les Algériens ont juste voulu faire euh, un problème là où il n'y en a pas. Euh, quand presque 2000 ressortissants d'un pays sont expulsés, sont vraiment refoulés d'un autre pays voisin, c'est normal qu'on demande des comptes aux autorités ou à la représentation diplomatique de ce pays. Mais bon, les Algériens et particulièrement avec le Niger ou l'Alger ou le, Mali, ils ont un tel comportement euh, que moi je, qualifierais de bizarre. Euh, sinon, il n'y a pas matière à polémique et à polémiquer et il faut juste vraiment dire qu'ils ont très mal réagi. Ça ne date pas d'aujourd'hui et malheureusement même si ça nous fait mal, on ne peut pas arrêter le déplacement des jeunes Nigériens, des Nigériens en général, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays, euh, parce que c'est ce que l'humanité a hérité. Et donc, vraiment, moi, je pense qu'il ne faut pas faire des problèmes là où il y en a pas. En réalité, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Oumara Ibrahim Sidi s'est entretenu avec euh, la chargée d'affaires euh, par intérim de l'Organisation internationale pour euh, l'immigration OIM, Madame Nicolata Giordano. L'entretien a porté sur les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens d'Algérie. Les autorités nigériennes invitent l'OIM à mettre en place des dispositifs d'identification des nationalités réelles des migrants depuis l'Algérie afin de les acheminer directement dans leur pays d'origine, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Soumana, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères Ibrahim Oumar Sidi, a attiré l'attention du représentant résident de l'OIM sur cette situation qui en même temps constitue une charge supplémentaire de gestion sécuritaire et humanitaire pour les autorités nigériennes et porte aussi atteinte à la dignité des migrants eux-mêmes. Cette démarche des autorités nigériennes est-elle la bonne selon vous Cette démarche des autorités nigériennes, elle est normale. C'est la, bonne démarche. C'est parce que l'OIM est l'interlocuteur euh, direct, n'est-ce pas, dans la gestion des, flux, migratoires. des flux migratoires. Alors, dans ces conditions, la étant donné que de l'autre côté, les Nigériens ne sont pas fiers de la manière dont les Algériens ont procédé pour rapatrier nos compatriotes, surtout essentiellement nos compatriotes. Il ne faut, pas se voiler la, face. Hein. Le reportage était clair en attendant un rapport de, l'OIM qu'il s'agit essentiellement de nos compatriotes et une petite portion de Camerounais. Donc euh, c'est normal que, n'est-ce pas, euh, nos autorités, n'est-ce pas, le ministère des Affaires étrangères euh, convoque la représentante, le, le, répondant de, l'OIM sur place à, Niamey et voir dans quelles conditions, n'est-ce pas, les dispositions vont être prises pour que désormais, n'est-ce pas, les refoulements ne soient pas de plus, ne soient pas du moins de façon euh, à, animaliser, n'est-ce pas, les migrants euh, sur le sol euh, algérien. Selon vous, est-ce qu'on doit espérer un changement dans la manière de faire des autorités algériennes après la convocation de l'ambassadeur je crois que l'OIM, dans ses actions, dans ses activités, a des formations, n'est-ce pas, qu'elle initie au niveau même des forces de sécurité. Peut-être que si cette brutalité notée au niveau euh, par, la police euh, algérienne, moi je me pose la question. Dans tous les cas, les, les porteurs de tenue, souvent quand on leur dit, on leur donne certaines instructions, certains ordres, ils dépassent, ils outrepassent, n'est-ce pas et certains, abus. justement, c'est même le mot abuse, n'est-ce pas, de, que, de leur pouvoir, n'est-ce pas Donc, euh, le plus, c'est que le plus important qu'il faut donc retenir, c'est que nous sommes tous des humains et il faut traiter de façon humaine, dignement, n'est-ce pas, tout un être, chaque être humain. Merci beaucoup, Ablaï Soumana, Diado. Les autorités nigériennes invitent l'OIM à mettre en place des dispositifs lui permettant d'identifier depuis l'Algérie les nationalités réelles des migrants afin que euh, ces derniers soient acheminés directement euh, dans leur pays d'origine. Quelle est votre opinion à ce sujet Je vois que c'est une très bonne chose parce qu'on ne peut pas. Euh, oui, techniquement, est-ce que c'est faisable Mais Techniquement, ça, peut être faisable. Si techniquement, on amène, on déverse tout le monde ici euh, sur le sol nigérien, mais pourquoi techniquement, on ne peut pas aussi les envoyer dans leur pays euh, Les migrants dont leur pays ne sont pas limitrophes avec l'Algérie. Mais dans ce cas, on les laisse là-bas. Ils ont des ambassades quand même. Et les ambassades peuvent s'en occuper. Si l'OIM aujourd'hui ne peut pas s'en occuper, donc moi je ne vois pas. Parce que aujourd'hui, l'OIM, ce n'est qu'une euh, ONG, alors que l'autorité, c'est le Niger. Le Niger demande voilà ce que vous devrez faire parce que nous, c'est ça que nous, qui nous arrange. Vous ne pouvez pas déverser ces migrants sur le sol nigérien puisque ça nous coûte très cher. Et la gestion humanitaire. la euh, gestion humanitaire coûte très cher au Niger. Donc, dans ce cas, <laughs> ramenez-moi nos compatriotes, vous les déposez chez nous et vous faites en sorte que les autres regagnent leur pays. Soit on révise, on essaie de réviser les lois qui aujourd'hui peuvent donner, en tout cas peuvent être modifiées pour que ça soit faisable, pour que au moins entre l'Algérie et le Niger, pour qu'il y ait euh, une sorte d'accalmie une sorte d'accalmie autour donc de cette migration, soit on prend les dispositions, parce que c'est un État, un État peut prendre les dispositions. Si c'est dans le cas où dans la loi ce n'est pas dit, on peut toutefois réviser une loi pour pouvoir voir ce qui peut être arrangé du côté du Niger et arrangé du côté du partenaire. Moi, je, pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Après la convocation, peut-on espérer un euh, réel changement euh, sur le terrain mais euh, l'OIM est obligé de, chercher à changer les choses. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, si on laisse l'OIM rester au Niger, c'est les autorités. Oui, mais ce n'est pas l'OIM qui déverse euh, les migrants subsahariens euh, au, Niger. Mais c'est l'OIM est dedans, de toutes les manières. Qu'on le veuille ou non, l'OIM a sa partie. L'OIM joue une des parties et euh, l'Algérie aussi joue sa, partition, ainsi que l'État du Niger. Si aujourd'hui l'État du Niger ne sait pas que l'OIM est en train de jouer une partition, l'État du Niger n'allait pas en tout cas interpeller la représentante de l'OIM ici au Niger. Non, selon vous, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça, permet quand même à ce village à Samaka, ça permet de souffler. Parce que les populations, il faut aller se demander comment vivent ces populations là-bas avec tout, ce qu'on leur déverse comme migrants. Merci beaucoup à Memouna L'OIM est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies qui assiste les États dans le cadre de la mise en œuvre des opérations de rapatriement et ou de refoulement des migrants en situation irrégulière. Quels sont les autres défis qui attendent l'OIM dans ce domaine Vous savez, euh, l'OIM et l'Algérie, là, en fait, se complètent. Euh, l'OIM officiellement, les Algériens, ok, euh, certainement pour faire du, du résultat, il y a des périodes de l'année où ils font massivement des refoulements. Et l'OIM, n'est-ce pas, sous prétexte de retour volontaire, n'est-ce pas, ils récupèrent à partir de la frontière nigérienne pour soi-disant acheminer. Il y a des moments où, dans tous les cas, leurs capacités sont très réduites, où ils sont débordés. Et sous prétexte de départ, ou de, retour volontaire, ils promettent des fonds de démarrage d'activités socio-économiques euh, aux, migrants. Une fois dans leur pays, j'ai vu plusieurs reportages où il n'y a plus de nouvelles de l'OIM. En fait, l'OIM officiellement, c'est l'Organisation internationale pour la migration. Et moi, je les vois particulièrement comme l'Organisation internationale contre, la, migration. Euh, parce que Normalement, dans un pays comme le Niger, une plaque tournante de la migration sous-régionale, mais aussi où de plus en plus il y a beaucoup de départs et de refoulements, c'est normalement des perspectives qu'il faut créer pour les jeunes, n'est-ce pas sans tenir compte de ce qu'ils sont. Non, non, voilà, chaque année, on peut créer un certain nombre d'activités euh, génératrices de revenus pour tel nombre de femmes, pour tel nombre de jeunes qui ont essayé ou pas de partir, qu'on donne au, niveau des, choix. Au niveau des localités de départ massif exemple, de, de par exemple, dans la zone de Zander, là où il y a beaucoup de départs, à Kanché, c'est quoi leur investissement réel Moi, je suis allé plusieurs fois, je n'ai rien vu de concret, sincèrement. Mais euh, là, là, on fait... Sinon, ce n'est pas pour la première fois que les autorités nigériennes interpellent les deux euh, autorités qu'on vient de citer et l'OIM euh, euh, et, et, les autorités algériennes. le, sous le président ça a été fait également. Et c'est ça qui est bien. Il faut quand même savoir taper sur la table pour dire que ce qu'on fait à mes partenaires, à mes compatriotes, je ne suis pas d'accord. Sinon, l'OIM, euh, il ne faut pas se leurrer, euh, c'est vraiment euh, la face un peu humaine de la lutte contre la migration des Européens qui ne veulent pas que les Africains arrivent, arrivent chez eux. Maintenant, ce qui est problématique même, c'est l'amalgame qui est fait entre les Nigériens qui, pour l'essentiel, 90% des Nigériens, 95% des Nigériens qui rentrent en Algérie ou la Libye ne sont pas des candidats pour le départ en Europe. Il faut que ça aussi, ça soit pris en compte. Ce sont des migrants saisonniers. Non, ce sont des saisonniers. Les gens, euh, la saison de pluie a donné ou pas n'a pas donné. Il y aura neuf mois de saison sèche où il n'y a pas d'activité dans leur localité. Ils s'en vont pour avoir de quoi envoyer euh, périodiquement ou temporairement à leur, euh, famille, et puis après revenir et constituer des pactoles bah, des, pour des jeunes mariés, des filles qui vont pour constituer leurs valises, ainsi de suite. C'est des choses comme ça qui fait déplacer les gens. Mais on fait de l'amalgame, on nous mélange avec, y compris les Érythréens, avec qui tu ne sais pas, qui se déplacent en masse pour aller en Europe et c'est nous qui, euh, en question en réalité les pots, les, cassés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment, tant qu'on n'analyse pas les choses concrètement, réellement, tel que ça se passe sur le terrain, on ne peut pas trouver de solution. Maintenant, quoi qu'on dise, nos autorités, comme tous les toutes les autorités africaines, ils doivent vraiment se remettre en cause. Vous ne pouvez pas être des dirigeants de pays où les jeunes, les femmes sont toujours tenter de partir, partir parce qu'ils ont des problèmes économiques. Ça, c'est ça, le problème réel, c'est cela. On n'est pas à mesure de créer de l'emploi. On n'est pas capable de donner des perspectives à nos jeunes, à nos enfants. Et chaque jour, les gens disent, vaut mieux partir et mourir sur la route que de ne rien essayer, que ma maman me voit mourir. C'est ça le problème, en fait. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. journaliste indépendante. Abba journaliste à la radio alternative et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Saini Saka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.